Alors, salam alaikum, bonjour à tous. Alors, ici c'est Mamadou Ndao, chef de produit, jeu et entertainment à Orange. Alors, aujourd'hui, c'est la grande finale nationale du tournoi e-sport appelé Gaming Tour 2019. Alors, top moment là, exactement ce qui se passe ici. Alors, comme nous comme ici actuellement, on est en train de suivre la finale PES. d'accord Voilà. Ah, Hein? alors actuellement je de exactement ce qui se passe les quatre fauteuils que vous voyez ici moi et Lignan, des rois du gaming au Sénégal alors top moment là exactement il alors ça gars gagné, nous ngi ah, ça tout ça c'est nos gamers qui ont fait joué malheureusement ils ont perdu mais parce qu'ils sont là pour supporter le finaliste. Alors là, vous avez des trophées pour les premières, deuxième et troisième places. Avec les lots, am solo. Premier lot, 500 000 francs Avec am coupe médaille d'or. Deuxième lot de dina am trophées trophée avec médaille d'argent et troisième place vous dina am coupes coupe avec médaille de bronze. Alors nous ñu les lay ziar des moo fi jaar des le. nous avons lay ziar di la les di la avons des voilà voilà alors alors loolu mag vous nous nii 500 000 francs CFA pour gamer bi nga ont fait la grande finale pour chaque jeu alors gars des gamers donc les champions qui sont là qui ont joué et malheureusement qui ont perdu mais ñi ngi pour di supporter campagne, parce que c'est une même famille une même équipe alors vraiment on est très content de recevoir aujourd'hui les gamers du Sénégal fii ci On bi un Orange rendez-vous Inch'Allah, et édition est une entreprise qui met en relation les producteurs par rapport aux cantines scolaires. C'est-à-dire, nous, on s'occupe de l'approvisionnement. Nous allons chercher le produit directement chez les producteurs et nous assurons la distribution. Aujourd'hui, avoir des enfants qui mangent mal. Comment Parce qu'aujourd'hui, le parent, il, euh, paye en fin de mois alors que l'enfant n'aime pas ce qu'il mange. Ça un aspect social derrière qui permet aujourd'hui aux parents d'élèves de subventionner un enfant défavorisé, ce qui lui permet euh, d'avoir au moins un repas par jour. Et c'est notre objectif euh, pour janvier 2020. Euh, Sonatel Academy, c'est la première école de codage gratuite du Sénégal, créée par le groupe Sonatel dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. Euh, c'est sur le volet éducation et formation de la RSE de Sonatel au Sénégal. Euh, Sonatel Academy est là pour permettre à nos apprenants de rencontrer les acteurs de l'écosystème numérique et aussi échanger pour éventuellement élargir le champ des opportunités, tant en termes de placement de stage que aussi en termes de reconnaissance de nos startups alumni. L'ADER est présente euh, au Dakar Digital Show de cette année en tant que partenaire. Donc aujourd'hui, il est normal dans le cadre des synergies que nous cherchons à avoir avec tous les acteurs de l'écosystème que nous nouions ce partenariat-là avec, euh, avec le groupe Sonatel Orange qui est leader dans son domaine et euh, avec qui nous avons de très grandes perspectives en termes de l'accompagnement, en termes d'accompagnement de l'écosystème euh, entrepreneurial. système d'optimisation C'est un dispositif et intelligent qui ajoute un rendement allant de 40 à 60% de plus par rapport à un système de panneaux solaires fixes. C'est un automate euh, qui détecte les sources lumineuses et détermine là où les rayons lumineux sont les plus concentrés au niveau de vos panneaux solaires et oriente les panneaux vers cette direction. Vous êtes en direct d'un meet-up qu'on organise avec, euh, en partenariat avec euh, Orange Silicon Valley euh, et des startups qui ont eu à bénéficier cette année de la phase pilote du programme de mentorship avec Orange Silicon Valley et Sonatel. L'idée, c'est d'ouvrir nos startups au monde, de leur permettre d'avoir une expérience de mentorat avec des experts de la Silicon Valley et vice-versa. En principe, pour la quatrième fois, nous sommes sponsor Gold, nous l'accompagnons dans ce salon. Et je pense que c'est très euh, logique qu'on puisse en tout cas accompagner et puis permettre de, mettre sur la table en tout cas tout cet univers de services innovants qui concourent à faire de l'écosystème digital quelque chose d'assez euh, important au Sénégal. yaa ngi ci stand Orange Énergie muy benn solution bu ñuy yóbbu ci zone rurale bi maanaam zone yoo xamante ni ñoom dañuy soxla courant dañuy soxla information waaye fu ñu nekk Senelec eggu fa Orange daal di ñëw pour yombalal zone yooyu accès énergie bi. panneaux solaires yi yu ànd ak ay batterie maanaam su ñëwee ci këru client bi ñun dinañ ko jox juróom benn lampe yoo xamante ni dina ko mën a. teg ci néeg bu ko neex moom mooy tànn fu ko koy tegal dinañ ko jox batterie dinañ ko jox télé dinañ ko jox rajo dinañ ko jox tamit torche Alors, vous avez vécu la quatrième édition du Dakar Digital Show sous le thème Building a Startup Nation. Donc, Dakar Digital Show, le forum des contenus dédié à l'écosystème numérique. Donc, on a eu des conférences, on a eu des ateliers, on a eu le pitch startup, on a eu le pitch production, on a eu le gaming, des conférences, des ateliers et tout ça rien que pour vous. Et donc, on vous donne rendez-vous en 2020 pour l'édition numéro 5.